pour def créer benen li nan euh, beneen beneen type de paysan mom dafa bëggoon paysan bo xamante dañu am autonomie mo tax mu doon def gestion créer benn économie de traite ñu def culture vivrière dafa bëggoon am aussi paysan bo xamante ne dafa am indépendance ci activité lool nak dafa menacer ay intérêts yu mag premièrement mooy intérêt yi nga xamante ne mooy nekk les puissants européens yi fi nekkoon nga xamante ne li naan kesoo xaw ma ñu ci olof di naan ay ay keso ñoom yoroon kii yu mag yi nga xamante ni les hangars kan? seko waa seco moo yoroon ay seco waaw yu mag yi les puissants européens yi beneen affaire aussi da doon menace aussi l' intérêt de de beaucoup de marab yi nga xamante ni dañ ci amoon dañ ci amoon ay intérêt ci loolu parce que marab yi dañu amoon ay puissance d' opérateur économique ay puissance ay opérateur économique yoo xamante ni dañ doon nekk ñoom di liggéey ci seco yi di dem di jaay un partout di am xaalis les habitants de Fatick lui demandent euh, ne portant aucun intérêt à l'engagement politique il se fait régulièrement le relais dans la presse de la situation du Sénégal en particulier de la misère des paysans pour lesquels il préconise un regroupement coopératif les habitants de Fatick lui, demandant d'être candidat à l'assemblée du, conseil général il adhère pourtant à la CIO qu'il juge pas assez socialiste parrainé par le Paul Senghor et par Ibrahim Seydou Ndaw, il est élu conseiller général en 1946. Avec Senghor, Ndaw et, Léon Boissy-Ballon, il s'oppose aux dirigeants de la SPIO sénégalaise, l'amitié qui tient la direction fédérale et devient le porte-parole des contestataires jusqu'à la démission du parti le 27 septembre 1943. Il crée le groupe démocratique sénégalais, BDS, qui tient son congrès fondateur du 15 au 17 avril 1949 à Thiès. Jack désigné secrétaire général de Senghor, président du nouveau parti, rebaptisé au cours des années populaires, puis du UPS, mon Union Progressiste Socialiste. Dans, cette période fondatrice, Jack s'est habilement secondé Senghor dans les efforts de propagande, en direction des minorités non notamment en Casamance ou dans les pays sérieux. Grand conseiller de l'AEF en 1948, Jack devient ensuite sénateur du Sénégal 1949-1955, puis député. Avec Senghor à l'Assemblée nationale française en 1956, il siège au sein des indépendances d'outre-mer. Durant ses années de parlementaire, il complète son cursus par les études supérieures de géographie, de, droit et de sciences économiques sous le professeur marquant de François Puyol. Dia constitue avec Senghor en janvier 1957, à partir du BPS, le parti de la Convention africaine. Premier pas vers une future fédération africaine que beaucoup de dirigeants appellent de leur vœu. En application de la loi CAS Fers, qui est la loi Gaston Fers, adoptée le 23 juin 1956, il devient vice-président du Conseil de gouvernement du Sénégal en mai 1957 auprès du gouverneur Pierre Lamy, puis président du gouverneur du Sénégal. Lorsque Charles de Gaulle propose un référendum sur la communauté française en 1958, les deux responsables s'opposent publiquement sur la position, sur la à, prendre. c'est très important parce que déjà, indi une différence entre Senghor et parce que la différence Senghor entre Senghor euh, à partir de la crise de 62 Lorsque mais euh, euh, relation la moom à mon amitié pour en donner, mais mon mon aussi une différence d'opinion et de position à prendre parce que Jack était favorable à une rupture avec la France Même il voulait une rupture totale alors que Seigneur veut conserver le Sénégal dans la communauté ce qui est finalement réalisé